Faire l'amour avec son ennemi, c'est de la trahison. J'ai trouvé l'amour, que faire avec mon ennemi L'amour et la haine ne marchent pas ensemble.